Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou par le canal de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. A Zender, vous écoutez cette émission sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Shukura sur le 105.5 MHz. Aujourd'hui, le thème du forum s'articule autour des impacts des pesanteurs socio-culturels sur l'épanouissement des femmes dans leur foyer. Au dernier recensement de la population de 2012, le Niger compte 17 129 076 habitants, dont une majorité de femmes, 50,6%, et des ruraux, près de 80%, et en grande partie analphabètes. Selon le rapport 2016 du PNUD, l'indice d'inégalité de genre est très élevé au Niger en 2015. Cette situation présente des conséquences sur le bien-être des femmes qui sont souvent victimes de certaines coutumes en ancestrales discriminatoires et qui vivent dans des conditions de misère. En effet, malgré les efforts des gouvernements et de ses partenaires au développement pour la promotion des droits fondamentaux, des stéréotypes sociaux persistent et freinent ce talent, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale ou scolaire. Quels sont ces stéréotypes Comment les femmes font-elles face à ces stéréotypes dans leur vie conjugale Comment alors briser le tabou et permettre aux femmes de réaliser leur plein potentiel économique et social Quelle solution envisager pour leur épanouissement pour discuter, nous recevons Dr Abdelohab Soumana, socio-anthropologue, enseignant, chercheur à l'Université de Zender. Nous avons aussi Madame Ablaziz Rabi Soumana, directrice régionale de la promotion de la femme de Zender. Et nous avons aussi Haja Ouma Abani, présidente de SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Conjugales de Zender. Je suis Mustafa Moumansani à la présentation. Docteur Ablohab, nous allons commencer par vous. Qu'est-ce qu'il faut entendre par stéréotypes sociaux C'est une gamme d'a priori. Pour tout simplement résumer, c'est un ensemble de clichés qu'on fait et qui est là dans la conscience collective de la société considérée vis-à-vis d'un groupe donné. Ça peut être vis-à-vis d'une catégorie d'hommes, ça peut être vis-à-vis des femmes, ça peut être vis-à-vis d'un groupe ethnique, ça peut être euh, vis-à-vis d'une posture physique, ça peut être euh, vis-à-vis d'une profession, etc ces stéréotypes-là génèrent des comportements et des réactions de la part des uns et des autres. Un exemple, on peut dire, bon, euh, vous prenez un, groupe quelconque qui est stéréotypé, on va dire, bon, voilà, euh, ce groupe-là, voilà, ce sont des incapables et tout le monde l'accepte comme tel ce sont des violents et tout le monde l'accepte comme tel. Ou bien non, euh, ce, sont des menteurs, tout le monde l'accepte comme tel, sans recherche préalable, sans aucune enquête, et sans même euh, faire recours à la raison. Très souvent, ça ne relève pas du registre du positif. Aja Ouma, pouvez-vous nous citer quelques traitements dégradants dont sont victimes les femmes au foyer les femmes, sincèrement, elles sont en train de vivre ces traitements dégradant. Si on prend par exemple, il y a des femmes, normalement, qui devraient être, toute femme doit être prise en charge par son mari. Il y en a qui abandonnent complètement la femme, c'est à elle de se débrouiller pour se nourrir. Il y en a qui veulent accéder à un certain poste, mais le mari dans le foyer peut l'empêcher avec plusieurs manières, soit par un chantage, soit par, euh, en tout cas, une menace donc elle sera obligée de euh, revenir à sa décision, à son choix. Il y a aussi euh, le refus à l'accès à la terre. Parfois, il peut y avoir un héritage, mais on dit, bon, ça, ça c'est une femme. On ne va pas lui donner notre champ parce que plus tard, c'est son mari, ça va revenir à son mari. Ou, comme le docteur l'a dit, une femme peut vouloir épouser bien quelqu'un, mais de l'autre côté, on dira non, ce groupe, en tout cas, euh, cette ethnie, nous, nous ne pouvons pas les accepter, alors qu'elle, elle peut bien se sentir à l'aise avec son choix. Mais, en tout cas, pour des raisons évoquées tout à l'heure, donc, euh, on peut lui empêcher cela. il y a aussi la mise en quarantaine, parfois, les hommes, pour un rien, ils peuvent, en tout cas, oublier qu'ils ont une femme, faire des mois sans, en tout cas, partager, en tout cas, euh, le lit avec leur femme. Donc, tout ça, ce sont des situations qui dégradent la femme, qui ne la mettent plus en confiance. Et même refuser d'amener la fille à l'école ou refuser de lui permettre des longues études, en tout cas, c'est vraiment un problème. Ou refuser à la femme de donner son avis lors du mariage, par exemple, de son propre enfant. C'est le père, c'est sa famille qui décide. On dirait qu'elle, elle est une tutrice pour cet enfant Donc vraiment, vous voyez, c'est des trucs euh, qui diminuent la femme. On ne lui permet pas de mettre, en tout cas, en valeur tout ce qu'elle a comme euh, potentiel. Directrice, euh, avez-vous d'autres exemples et quelles et le rôle de la femme ou des femmes dans le développement socio-économique et nous, quand on entend structure, généralement, c'est plus les femmes qui sont visées parce que l'ensemble, c'est comme l'a dit le, en tout cas docteur, l'ensemble des idées, des croyances, et généralement c'est des croyances qui sont négatives, qui sont véhiculées. Les capacités des femmes qui sont jugées par rapport aux hommes, c'est vraiment des trucs négatifs qui sont attribués généralement aux femmes. Et comme exemple, on dit souvent que la femme doit être sujette de bastonnade, ou bien la femme est soumise à son mari, elle doit être au foyer, elle ne peut rien faire pour elle, quoi. Elle n'a pas quand même son destin à main, c'est à l'homme de tout lui proposer. On ne peut pas avoir une femme en chef de village. Les chefs de village, c'est toujours les hommes. On pense que certaines compétences sont réservées spécifiquement aux hommes. Mais il y a ici un petit fondement religieux qui intervient aussi quand on prend le contexte nigérien. Quand on prend le contexte nigérien, c'est vrai, nous avons également l'islam. L'islam, c'est vrai qui a quand même donné une place de choix, n'est-ce pas, une valeur à la femme. Mais même en islam même, les trois quarts du savoir islamique ont été donnés par Aïcha, la femme du prophète. Donc, en tant que femme, vous avez vu l'importance quand même que le prophète a accordé à sa femme pour lui livrer toutes les connaissances islamiques. Donc, même l'islam a dit de donner une valeur à la femme. Certes, avant l'islam, la femme était quand même euh, culturellement et traditionnellement, elle était très très soumise, très bafouée. Les, droits de la femme sont bafoués. Mm. Mais avec euh, l'avènement de l'islam, quand même, qui est venu redonner une place de choix à la femme. et malheureusement, jusqu'à présent, la femme continue à être victime de plusieurs euh, maux. Et la place de la femme, moi je dirais que le premier rôle pour une femme, c'est l'éducation de ses enfants, de son foyer. Et après ça, on peut aussi parler de son automisation. Il faut qu'elle soit autonome économiquement qu'elle s'active, qu'elle vaque à ses occupations, des occupations qui vont lui générer des ressources. C'est vraiment ça que la femme doit être actrice de développement. Docteur Ablohab, avez-vous aussi d'autres exemples euh, et quelles peuvent être les causes des stéréotypes sociaux Les causes sont nombreuses. Et seulement avant d'arriver à ces causes, euh, il serait bon de, sortir du, du, contexte général. Ici, nous sommes au Niger, nous sommes plus précisément à Zender. Il faut revoir le contexte. Vous l'avez déjà introduit. Nous sommes dans un contexte plus ou moins islamique. Il y a des historiens comme les euh, Mekorema Mazakari, comme les Jibo Hamani, qui ont montré que les coutumes et les traditions nigériennes se sont longtemps confondues aux coutumes et traditions arabo-musulmanes. Et du coup, il y a des valeurs de l'islam donc qui sont devenus nos valeurs. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos valeurs qu'on ne distingue pas des valeurs purement, je ne sais pas, africaines ou peut-être des valeurs purement Hausa ou des valeurs purement nigériennes. Donc c'est nos valeurs. De sorte qu'il y a un peu ici euh, une différence des échelles d'analyse. Quand vous prenez euh, sur le schéma d'analyse occidentale, tout ce que vous venez de dire, par exemple ce que Madame la directrice a dit, ça relève des stéréotypes, comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas de femmes euh, chefs de village ou enfin. Par contre, quand vous venez dans le contexte musulman, dans les textes de l'islam, il ne peut pas avoir une femme chef de village. Mais comme elle l'avait dit, justement, la femme peut contribuer au rayonnement de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, cherchez la moitié de votre religion auprès de Aïcha. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est que nous sommes musulmans de nom et souvent notre islam se limite aux cinq prières. Moi, je l'ai toujours souvent dit. Et c'est là, c'est toujours le problème d'éducation qui, est partout évoqué. C'est que nous n'avons pas une éducation islamique au vrai sens du terme. Celui qui a une éducation islamique, les autres, c'est ces vices-là que Madame Abani a souligné on ne peut pas les trouver dans, chez lui. Celui qui a une éducation islamique ne peut pas mettre une femme en quarantaine pour rien. Et il, ne peut pas lui faire subir des coups pour rien. Le prophète sallallahu alayhi wa a, certes demandé euh, que, que, la femme soit sous la tutelle de l'homme et que, et d'ailleurs c'est le verset du Coran, en, cas de, de, rébellion, on peut la corriger à, plus, à plusieurs niveaux et, jusqu'au niveau de la correction corporelle. Donc faire subir des coups, des blessures à la femme, c'est pas l'islam. Non, non, c'est nos comportements à nous. Et, ou bien euh, quitter, laisser la femme sans la, lui donner à manger, ce que nous constatons dans nos villes. Les hommes sont dehors restés, ils, voit voient toute vendeuse de, je sais pas, d'awara, d'amusuel qui passe, ils mangent alors que la femme est là-bas cloîtrée à la maison, elle ne mange plus rien. Voilà, il y a de retour. Donc, ils ont déjà pris du pain, de la viande, de tout. Mais arrivé à la maison, la pâte du maïs ou du mil, il va dire non, non, lui ne mange pas parce qu'au dehors, il a mangé des choses. Ça, ce sont des services. De, mais ce n'est pas l'islam. Les causes, la cause fondamentale, c'est que là, ça appelle Umul islam c'est l'ignorance de l'islam. Mais il reste toujours des choses qui, relèvent de nos propres traditions ancestrales. Et c'est là, ça devient d'ailleurs euh, des stéréotypes au moment où la femme elle-même, elle les a intériorisés. Beaucoup de femmes l'ont intériorisé. Je vous donne des exemples. Ah, eh, eh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a accepté que ah, quand la femme parle, eh, elle n'est pas toujours à droite. Elle n'est pas toujours euh, habile, elle fait des fautes, elle fait des maladresses, euh, pas comme l'homme. Quand on vient, on dit Assalamu alaikum, on dit Ah, euh, mata adda non. Tout ça, ce n'est pas l'islam, c'est nos valeurs qui sont ici, par exemple, de l'ignorance. Malheureusement, c'est des comportements, pas valeurs, des comportements qui sont ici de l'ignorance. Une poule est en passe de, de trépasser, un, un, un mouton en passe de trépasser. On dit, Wallahi, Babu, Mazana, Wazé, seyde, Ragon, Nyamutu. Et la femme n'est pas égorgée. Et pourtant, ce n'est pas l'islam. Euh, il y a aussi les résultats des mauvaises expériences. Vous savez, l'expérience est une école. Et souvent, il y a beaucoup de, personnes, d'êtres humains, qui prennent l'expérience uniquement à partir d'un cas et ils en font une école. Par exemple, Aja a dit que euh, on ne laisse pas les enfants étudier ou faire de longues études. Une fille a été à l'école une fois dans nos sociétés. et eh bien, avant de finir, eh, elle est venue avec un enfant conçu au mariage, ou bien elle a refusé de se marier, ou bien maintenant elle est devenue irrespectueuse vis-à-vis des parents. et eh bien, c'est fini, ça devient une école. Donc, Karatoum beaucoup. Karatoum ne Donc, Et de sorte que ça devient une école pour beaucoup. Il y a aujourd'hui un, un élan d'imitation. Je rappelle que par nature, l'homme est un orgueilleux. Par essence, la femme est une capricieuse. Et de sorte que il y a beaucoup d'hommes qui, dans la défense de leur orgueil, parce que la femme n'est femme qu'un que lorsqu'elle elle développe certains caprices qui, qui font d'elle, qui accomplissent sa féminité. C'est comme ça que les sociologues conçoivent les choses et même les psychologues. Parce que si la femme agit de la même sorte que l'homme, tous les deux ont des orgueils, on suppose que euh, le foyer peut basculer. Mais elle, des fois, elle, elle a entendu, mais elle fait, des, elle fait semblant qu'elle n'a pas entendu. Et c'est ça qui fait d'elle la femme pour beaucoup. Donc maintenant, cet homme-là qui veut défendre son orgueil, et la femme agit vis-à-vis, euh, par exemple, dit Amène-moi de, de l'eau à la douche. Elle n'est pas partie. Parce que c'est pas qu'elle n'a pas entendu, mais c'est ça l'être de la femme telle qu'elle lui a été inculquée. Elle va prendre une minute, trente secondes, quelque temps pour prendre partir pour amener cette eau-là. Il y en a qui pensent que c'est ça qui fait d'elle la femme. Et il y en a qui le supportent. Non, non, moi, tout voilà, voilà. Donc, donc il y a ces, ces talents d'imitation et les gens, les hommes, il y a des hommes qui sont contents à les raconter. À raconter un groupe que non, moi, quand, dans mon ça c'est des facteurs qui participent à ces, au développement de ces, de ces traitements dégradants qu'on fait subir à, à, la femme dans nos sociétés. On ne peut pas généraliser, mais en tout cas, euh, ces causes-là que je viens d'évoquer. C'est ça, euh, sont les principales. En tout cas, euh, ce que moi, mmh qui m'est venu à l'esprit actuellement. C'est ça. Hajaouma, euh, comment œuvrez-vous pour euh, réduire les traitements dévalorisants à l'égard des femmes, surtout celles au foyer Bon, euh, nous, c'est par des sensibilisations qu'on passe. Parce qu'il y a beaucoup de, stéréotypes. En tout cas, tout même les stéréotypes ne sont pas basés, en tout cas, ils n'ont aucun fondement par rapport à la religion, ni au roi. Donc, c'est des gens qui imaginent ça et qui imposent ça à la femme. Donc, nous, nous, essayons de sensibiliser les femmes. Nous le faisons en synergie avec aussi des leaders religieux qui, par des hadiths et en tout cas des versets, vont convaincre en tout cas euh, les femmes. Et ce n'est pas seulement les femmes que nous sensibilisons. En tout cas, c'est la communauté que nous sensibilisons. Pour que l'homme aussi sache que, en tout cas, ce qu'il est en train de faire, euh, rien ne justifie ça par rapport à la religion. Mm. Et que la femme, elle peut dire non, puisqu'elle sait que sa religion ne lui impose pas cela, ni aussi euh, la loi ne lui impose cela. Donc elle peut vraiment dire non à certains euh, stéréotypes. Donc euh, nous faisons les femmes qui sont dans des trucs comme ça, donc nous les écoutons, nous les conseillons. Donc nous passons en tout cas par des sensibilisations, des informations pour que en tout cas les femmes sachent que ce n'est pas acceptable. Madame Abdelaziz, quels sont les cas les plus fréquents qui vous sont signalés à la direction régionale euh, Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même euh, dire que les stéréotypes sont profondément ancrés, mm-hmm. n'est-ce pas, dans nous, dans notre comportement, dans notre culture, mm-hmm. dans la société. Donc, de telle sorte qu'elle est même banalisée. Mm-hmm. Aujourd'hui, notre société, les femmes même, acceptent cette violence. Notre société la banalise. Notre société, en tout cas, ne veut pas de changement. Sinon, ce n'est vraiment pas quand vous regardez au Niger, il y a beaucoup de textes aujourd'hui qui ont été élaborés pour euh, protéger les femmes. Mais c'est les comportements qui n'évoluent pas. Et comme l'a dit le docteur, vraiment le problème, le problème profond, c'est vraiment une très mal interprétation du Coran, l'ignorance de l'islam même. Parce que le plus souvent, les jeunes veulent se cacher derrière euh, la religion, alors que l'islam ne dit pas de faire ce mauvais traitement, n'est-ce pas, à la femme. Maintenant, revenons à notre question sur euh, les cas que nous gérons. Effectivement, par rapport à cette situation, eh, le ministère de la Promotion de la Femme avait diligenté une étude sur l'ampleur et déterminant des violences en 2016-15-16 au Niger pour voir l'ampleur. Donc après cette étude-là, le ministère avait élaboré une stratégie de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Chemin faisant, comme ça persiste toujours, en 2019, L'Union avec ses partenaires également, ont élaboré l'initiative Spotlight, mm-hmm. qui est une initiative qui vise à éliminer les violences qui sont faites à l'égard des femmes et des enfants. Donc, à partir de 2019, nous avons, au moment de, la mise en œuvre de cette initiative, nous avons récolté les données suivantes dans le cadre de la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Donc, dans la région de Zenderne, en 2021, c'est 400 31 cas gérés en 2021. Et suivant la typologie de ces violences-là, nous avons des agressions physiques au niveau de la région de Zendek, dénoncé 91 cas d'agression physique, violence psychologique, parce que c'est surtout la deuxième violence psychologique, les femmes qui sont traumatisées, par les hommes dans le foyer. 106. Le droit, c'est le déni de ressources, d'opportunités, ou bien même euh, le manger, devient un problème. L'homme a les moyens de prendre en charge son foyer, sa femme, mais il refuse. Donc c'est ça, il y a 121 femmes qui ont porté plainte. Les stéréotypes, c'est parce que c'est c'est la tradition, c'est ancré fortement, fortement dans les comportements et les gens ne sont pas prêts à abandonner. La société n'est pas prête à abandonner. Et quelque part, c'est parce que nous-mêmes, en tant que femmes, nous cautionnons. Justement, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, tout à fait. Nous cautionnons mm. ces violences-là mm. sur nous-mêmes. Donc c'est en fait ça. Oui, justement par rapport à la persistance parce Parce que pourquoi je dis ça Aujourd'hui, <laughs> par exemple, une femme qui s'est fait battue par, une, euh, par, son mari, mm. souvent elle porte plainte. Mais quand et souvent ça va au niveau même de la justice. Mais quand elle voit que son mari va être dans des sales draps, elle dit que non, non, elle, elle abandonne. Elle, elle abandonne. Alors que non, ça, ça retire la plainte. Mm. C'est vraiment des difficultés ça. Euh, comme ça qui se posent. Mm. à non. Oui, sur la question de la persistance, là, docteur, comment comprendre cette persistance euh, des stéréotypes encore aujourd'hui Moi, je vois ça à, trois niveaux. Le premier niveau, c'est que, quelque part, ce n'est pas un problème de texte. Parce que sur les 431 cas que Aja Rabi a évoqués, si on devait faire une enquête par, cas par cas, vous allez voir que à peine, même les 31 ne connaissent pas les textes, pas les 400. Les textes, souvent, ils sont faits, mais ceux qui sont les vrais acteurs, c'est des gens qui n'ont rien à foutre avec ces textes. D'abord, il y a beaucoup qui ne savent pas que ces textes existent. Il y a ce problème sérieux de vulgarisation des textes. Il y a aussi l'accessibilité même. Ces textes ne sont pas accessibles parce que la majorité de ces gens ne parlent pas français. Et il y a aussi la méthode de vulgarisation. Donc je crois qu'il faut revoir la méthode de vulgarisation. Je vais vous dire, des fois, les méthodes peuvent créer des, des élans de, révolte qui vont développer chez les ignorants davantage de violence. Deuxième niveau que, je vois, c'est que les textes ne, sont pas la seule solution. Et d'ailleurs, ce n'est pas la grande solution. J'ai toujours cité ce sociologue français Michel Crozier, il a dit on ne change pas une société par décret. On ne la change que par éducation. Or, l'éducation, c'est pas un an, c'est pas dix ans, c'est pas vingt ans. Donc, si ces comportements persistent, puisque c'est devenu, c'est ancré en nous-mêmes, nous tous nous l'avons vu, ici nous l'avons tous dit, c'est ancré. Nous l'avons intériorisé. Donc, pour que, que, nous nous débarrassions de ces comportements-là, dites-vous que ce n'est pas une histoire d'un demi-siècle. Il faut, il faut d'abord vous assurer que c'est vulgarisé et dans la langue et le langage accessible. La langue, je parle de. C'est ah, en Hausa, c'est en Tamashek, c'est en Gourmandchema, etc. Le langage, mais le type de discours qu'on va leur tenir. Ces deux éléments-là, il faut entendre. Deux, il faut voir la fréquence. Trois, il faut voir qui partent les sensibiliser. Parce que des fois, il y a des agents qui, qui, qui, qui sont répulsifs. Certains, des agents de, certains de vos agents de terrain, parce qu'on ne les envoie pas chez leurs camarades ou leurs collègues qui ont été à l'école, qui acceptent le, tout leur comportement vestimentaire. Tu ne peux pas être dans un village où on, respecte les vieillards, on respecte ici. Tu viens, tu dis, en fait, voilà, si on veut vraiment se prémunir de telle chose, telle voilà, et vous sortez euh, euh, les prototypes, par exemple, de, de, de, préservatifs, vous dites, voilà comment on utilise un préservatif. C'est pratiquement inacceptable. Pratiquement, des fois, c'est le chef du village qui va dire qu'il bon. Attends, Donc, cela, c'est fait et c'est mal fait pour, pour beaucoup et pour longtemps. Donc, il y a ces, ces, éléments-là qui font en sorte que des fois, et, euh, ça persiste. Il y a aussi le statut de la femme que nous avons avec nous. Le statut de la femme. C'est que dans notre société, nous sommes dans une société euh, euh, fortement islamisée. Quel est le statut de la femme euh, Madame Abdelaziz avait souligné le premier statut, c'est le rôle de mère éducatrice. Le statut de la femme fait, d'elle aussi la moitié du couple. Quelque chose qui échappe à, beaucoup d'entre nous, c'est que l'islam conçoit que l'homme, c'est quelqu'un qui est dans, souvent dans des périodes de troubles. C'est la femme qui le console. C'est la femme qui doit jouer ce rôle de premier médecin. Et ça a commencé avec le prophète. Lorsqu'il a eu la première révélation, il, est, il a dévalé la montagne, il est venu tout ébrifier, tout, et tout apeuré, tout perturbé. Il a dit, j'ai peur pour moi. C'est Khadija qui lui a dit, non, pas du tout. Ce n'est pas possible qu'un mal t'arrive. C'est elle qui lui a rappelé, non, non, toi tu aides les pauvres, toi tu dis la vérité, toi tu fais ceci, tu fais... Il la tranquillisé. Vous pouvez imaginer les scénarios physiques même de cette tranquillisation. C'est quand il s'est tranquillisé, il a dit, bon, maintenant, ça va un peu, ça s'est calmé. Ok, bon, lève-toi, on va aller voir Waraka qui est, euh, un spécialiste des écritures euh, hébraïques de l'époque. Du voilà, on va lui poser le problème. Donc, il y a ce, rôle vraiment que, que aujourd'hui, beaucoup de femmes ne jouent pas. Pourquoi Parce qu'elles ne sont pas éduquées dans ce sens-là. Et, euh, euh, le dernier élément que euh, je vais dire, c'est que dans les Makranta, vous dites que vous collaborez avec les marabouts. Il faut les amener à insérer dans les macrantas l'éducation islamique. Dans beaucoup de, de nos macrantas, on, on apprend la science islamique, mais on n'apprend pas l'éducation. Très tôt et qu'on l'applique. Donc, de sorte que notre société, là, sincèrement, il faut qu'on le dise, ce que vous voyez là, ce sont les résultats de l'agrégation de plusieurs mots. Donc, moi, je pense que c'est ça qui explique la, persistance. la persistance, aussi bien en ville que dans les villages. Madame la directrice, quel est l'impact des stéréotypes sociaux sur la vie des femmes ça marque profondément la femme. Regardez par exemple les violences psychologiques où dans le foyer, l'homme a droit, n'est-ce pas, à insulter la femme comme il veut. Il y a des femmes qui sont traumatisées. Hein? Des femmes souvent même qui se suicident. Parce que moi j'ai vu le cas d'une femme à Niamey qui s'est suicidée. Parce que tout simplement son foyer est, est, vraiment invivable pour elle. Elle sort, sa famille la retourne comme c'est un mariage de famille. Mm on la retourne et quand elle vient encore, le mari la menace, le pourquoi tu es venu, est-ce que moi je suis partie, je cherche et tout ça. Quand elle vient à la maison encore, c'est des problèmes et finalement elle se suicide. Elle pense qu'elle a pensé que le, la solution c'est le suicide. Donc voilà, il y a souvent des femmes qui fuguent plus souvent les femmes, euh, comment on l'appelle, qui, qui se donnent de la prostitution. C'est des femmes qui ont fait les mariages précoces ou bien les mariages forcés, surtout les mariages forcés. Donc pour dire que vraiment, eh, les, stéréotypes sur la femme ont beaucoup d'impact, vraiment. Haja, comment votre structure œuvre pour défendre la femme contre certains stéréotypes Nous, nous passons, eh, nous passons par des sensibilisations. Donc, en sensibilisant les femmes, en tout cas, en leur donnant en tout cas eh, des informations par rapport à ce que, qui, est inacceptable, nous pensons que les femmes peuvent tirer profit de cela. Mm. Et je le dis bien encore, je le répète, nous ne le faisons pas seuls. Mm. Parfois, nous associons en tout cas euh, les religieux mm. pour appuyer avec des exemples précis des hadiths et aussi des, versets coraniques pour bien convaincre et l'homme et la femme que certaines choses que nous faisons ne sont pas dictées par l'islam. en cas de défense de certaines plaintes. En tout cas, nous écoutons, nous accueillons ces femmes-là. D'abord, et nous ne le faisons pas aussi seuls c'est avec vous, les médias. Mm. Nous passons aussi par les médias pour que, en tout cas, ça fasse tache d'huile. Et, et, pour que, en tout cas, il y ait un changement de comportement et d'attitude. Mm. Parce que, euh, tradition, même si certaines traditions sont bonnes, mais quand la tradition euh, frotte, euh, en tout cas les règles religieuses, normalement, on doit laisser cette tradition et aller vers la règle religieuse. Donc c'est comme ça que nous passons. Et quand ces femmes se plaignent de, euh, vers nous, nous les écoutons, en tout cas, nous les prenons en charge. D'abord, il y a la prise en, en, charge sanitaire, si la femme est blessée ou quelque chose comme ça. Nous l'accompagnons en tout cas dans les, pour les soins y a une expertise médicale. Et aussi, nous faisons la prise en charge psychologique parce qu'une femme qui est dans cette situation-là, elle a besoin de revenir à elle-même. Donc, nous faisons des conseils, de prise en, une prise en charge psychologique. Et nous l'orientons aussi. Parfois, elle a besoin en tout cas des, choses que nous ne possédons pas. Nous l'accompagnons soit à la direction de la promotion de la femme pour que la prise en charge continue. Et si y a lui-même, elle veut être dans ses droits, nous l'accompagnons devant les juridictions et en tout cas pour qu'elle soit dans ses droits, pour que en tout cas cette situation euh, cesse. D'accord. Docteur Ablohab, quelles sont les conséquences euh, des stéréotypes sociaux sur la vie des femmes et celle du couple sont les mêmes. D'abord, quelqu'un qui est stéréotypé. La première conséquence, c'est que quand ce stéréotype persiste, la victime finit par les épouser, c'est-à-dire par les, accepter. Les accepter. Et, c'est fini, elle, devient une victime passive, elle consomme. Et un jour viendra où elle va même réclamer ses stéréotypes. Elle ça dit que la victime ne sera même pas contente. Il y a des femmes qui ne sont pas contentes si elles ne sont pas battues. Désillusionnez-vous. Désillusionnez-vous. Il y en a qui ont atteint ce niveau de consommation de, de comportements dégradants à telle enseigne que, bon, mais c'est une habitude quoi pour elle. C'est une habitude pour elle. Faire une semaine sans être bastonnée, c'est une habitude pour elle. Ça ne lui dit rien. Les injures là, ça ne lui dit rien parce qu'ils ont a on va entrer dans la maison on va insulter tout de la madame les enfants les parents de madame tout le monde est insulté ça ne lui fait plus rien ça c'est la première conséquence or l'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mais hein, comment toi un homme tu vas frapper une femme la journée et tu veux avoir des relations intimes avec elle la soirée tu ne vois pas que c'est honteux les violences psychologiques, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expressément interdites. Il dit, il ne faut pas dire à la femme, tu es vilaine, ou bien que tu es moche, ou bien que tes parents ne sont rien. C'est ça les violences, les violences verbales qui ont des effets psychologiques. Donc, et quand ça, ça persiste, elle va euh, euh, elle-même les interroger. Deuxième conséquence, c'est qu'elle ne peut pas se réaliser et elle va devenir par la suite une, sorte de paltoqué. Elle va perdre la raison. Elle va devenir... oui, finalement, hein, elle va perdre la raison. Ça, y a, des femmes vont, ça, peuvent s'affoler hein, avec, euh, avec ces, Et troisième conséquence, c'est que les enfants ne vont jamais être bien éduqués. Et ils peuvent copier le modèle. La majorité des enfants qui profitent des injures à la volée, partez faire des enquêtes chez eux. C'est qu'à la maison même, ils sont présents. Le père insulte la mère, le père insulte les parents, tout le monde insulte tout le monde, la mère insulte le père, tout le monde. Donc, les enfants vont prendre un coup. Quatrième conséquence, la société prend un coup. C'est que nous sommes en train de déplorer dans la société zindoroise. C'est certains des effets de ce problème-là que nous vivons dans les foyers. Quand des enfants peuvent sortir insulter des grands, les enfants, ils peuvent enlever les trucs, ce qu'on appelle communément silencieux des motos là, pour faire du bruit. les enfants peuvent rendre des quartiers inaccessibles même à l'État. Tout ça, ce sont les conséquences. Donc, tant que, parce que pour l'islam, la femme est la première école. Si cette école échoue, il n'y a pas une autre école qui puisse corriger l'enfant. Donc ce sont là des conséquences. Et lui-même, le mari, il ne vit plus. Allez-y demander à tous les maris violents, il ne vit plus. S'ils vivent, pardon, ce sont des, ce sont des malades mentaux. Naturellement, l'homme est fait pour vivre en symbiose avec la femme. Et là, sa, sa, vie ne peut jamais être en symbiose si il est dans, cette femme-là est dans une certaine, euh, dans une situation de trouble psychologique généralisé. Ça également, ce sont des conséquences. Et pour moi, je pense que la plus grande conséquence, au-delà de tout ce que nous venons de citer, c'est qu'il n'y a pas de religion dans ces foyers-là. On ne peut pas prétendre à une pratique religieuse. C'est-à-dire que, vous, résumez, un, la victime ne se réalise pas. Même le bourreau ne se réalise pas en réalité. Le couple en tant que tel ne se réalise pas. Oui, même les grands barons quand ils, sont ils versent dans cette violence, vous allez trouver qu'ils sont riches, mais ils ne vivent pas. La société elle-même ne, ne se réalise pas. Les conséquences-là, nous ne pouvons pas faire la liste ici. Il faut tout simplement dire que les conséquences sont aussi bien sur les individus que pour la société. Et quel que soit le potentiel psychologique, la femme qui est torturée, elle va perdre ce potentiel-là ça, il faut l'accepter. Naturellement, l'homme résiste plus que la femme face à certaines épreuves. De sorte que quand elle va commencer à pleurer là, c'est fini. Elle perd le potentiel. Donc, ce qui fait que malheureusement, euh, la société tout entière perd. Madame Ablaziz, comment la direction régionale de la promotion de la femme œuvre pour la réduction des traitements dégradants à l'encontre des, femmes Vous savez, le changement de comportement, c'est un processus, n'est-ce pas de longue haleine qui exige non seulement la diversification des approches et des acteurs. C'est comme ça. Nous avons plusieurs approches et nous avons également plusieurs acteurs. Et c'est ainsi que donc nous travaillons avec toutes les couches socio-professionnelles pour que le respect à l'égard des femmes et des filles soit une réalité. Donc c'est comme ça que nous procédons. Nous mettons encore l'accent sur euh, la famille, parce que la famille est le premier vecteur. Si la famille accepte, c'est un vecteur de socialisation. Parce que quand vous regardez même, tous les stéréotypes là, ça commence dans la famille, dès la naissance, dans le foyer, à l'école. Mm. Donc il faut que la famille joue son rôle. Parce que c'est dans la famille qu'on commence très tôt, n'est-ce pas Il y a des travaux pour les filles, il y a des travaux pour les garçons. Quand le garçon joue, la fille fait la cuisine. Mm. Ou bien à l'école, le garçon, c'est lui qui, qui, qui, qui, comment on appelle ça, qui nettoie le tableau, la fille balai. Mm. Ou bien à l'école, dans les documents, vous allez voir, les filles sont toujours euh, des poutières les garçons sont les pilotes ou bien les... Donc ça veut dire que notre socialisation là, donc les structures là, c'est vraiment ancré à nous. C'est vraiment un processus de socialisation. Donc, donc voilà pourquoi nos actions sont diversifiées au niveau des communautés, n'est-ce pas, avec les leaders traditionnels, avec euh, les leaders religieux, au niveau même de la famille au niveau même de la famille, souvent même dans les institutions comme l'école, c'est comme l'école. Et souvent même il y a les médias. Pourquoi pas Souvent, il y a les médias mm. hein, que nous utilisons. Les poèmes, tout ça, la littérature. Mm. Donc, vraiment, ce sont des actions que, nous utilisons souvent dans ce cadre-là de traitement. Hadja, euh, quelle perspective pour l'épanouissement des, des femmes aujourd'hui euh, donc, euh, je disais bien, nous, nous cherchons à amener l'harmonie au sein du foyer. Que chacun, en tout cas, se sente à l'aise et que chacun joue son rôle. Pour cela, en tout cas, il y a même des comités que nous sommes en train de mettre dans les quartiers. Et au niveau de, la communauté, dans les villages, il y a des observatoires, en tout cas de VBG, qui sont en train d'être mis en place. Et ces observatoires-là composent qui Il y a en tout cas les jeunes, il y a les adultes, il y a aussi les autorités religieuses, les, coutumiers. Donc ensemble, on forme en tout cas euh, une équipe qui est là pour jouer un rôle de veille dès qu'il y a en tout cas un problème, en tout cas euh, de, violence, ils sont là pour conseiller, pour dire non et aussi pour prendre des, euh, dispositions. Parce que eux aussi, ils font de la prévention, ils sensibilisent. C'est pour prendre le relais. Mm. Ils font aussi de la protection. Mm. Car en tout cas, la femme est à un niveau où il faut en tout cas la protéger. Ils sont là pour ça. Donc voilà comment en tout cas nous nous œuvrons pour que en tout cas euh, la femme puisse s'épanouir, puisse apporter sa contribution au développement en tout cas dans la communauté. Docteur Abdouhab, comment la femme peut-elle se libérer de la violence, de la stigmatisation et des préjugés sociaux euh, Elle ne peut le faire que lorsque la société elle-même s'est libérée de ces, stéréotypes-là. Parce que euh, c'est comme ce que dit un psychosociologue, il dit ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, c'est ce que la société nous fait faire. Donc souvent, même les hommes qui font la violence, souvent, ils, obéissent à des constructions sociales qui sont là déjà posées. Donc, la femme ne sera libérée de ces stéréotypes, de ces violences que lorsque la société elle-même euh, s'en est libérée. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut une éducation de longue haleine, comme on dit. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire les textes. Les textes sont des garde-fous. Et les textes sont également là pour euh, amener les hommes à la raison. Donc toute l'humanité à la raison. Mais le meilleur remède, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc ça ne peut pas être autrement, sincèrement. Madame Raziz, quelle perspective la direction offre-t-elle aux femmes nous mettons l'accent sur euh, les actions de sensibilisation. Il faut beaucoup sensibiliser les femmes sur la scolarisation, la scolarisation notamment l'éducation. Parce que euh, aujourd'hui, le gros problème, c'est un problème d'éducation que nous avons. Et dans cette éducation-là, nous mettons vraiment l'accent sur la sensibilisation, sur le maintien, le maintien des filles à l'école. Parce qu'on sait que quand une fille est scolarisée, elle va se libérer. Elle ne va pas quand même accepter que en tout cas, vous allez voir qu'elle est différente de l'autre là qui n'a vraiment pas du tout été à l'école. Également, nous faisons beaucoup des actions de lutte contre les violences qui sont basées aux gens. Mhm. Donc, des actions, si vous voulez, de sensibilisation. Nous, nous leur montrons les voies de recours, les plaintes, où est-ce qu'il faut aller, des orientations, où est-ce qu'il faut aller pour porter plainte, où est-ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment un groupe un groupe, si vous voulez, que nous appelons la plateforme de prise en charge. On sait qui allait, qui allait, donc c'est vraiment, et il y a plusieurs services qui sont quand même qu'on offre. Bon, pas nous seuls, avec tous les acteurs, comme je l'ai dit précédemment. Il y a aussi l'autonomisation de la femme. Ça veut dire que là, il faut que l'État, les ONG, les partenaires développent des actions pour que la femme puisse se relever des AGR, des embouches, en tout cas des actions qui permettront à la femme de générer des ressources. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème dans le couple, vous allez voir, c'est lié, c'est toujours lié, n'est-ce pas, aux ressources, à l'argent. Donc, il faudrait à un manquer que la femme se batte pour euh, prendre en main, n'est-ce pas, son avenir. Et pour que la femme puisse quand même euh, se libérer, il faudrait qu'elle se batte d'abord. L'éducation, il faut, voilà pourquoi nous, on maintient, on dit maintenir les beaux filles à l'école. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons étudié c'est parce que quelque part, le président Kunche, a pris des textes pour protéger les jeunes filles scolarisées. Et à l'époque, les textes étaient vraiment respectés. Et aussi, aussi, il faudrait vraiment que l'État multiplie les internats. Et encore vraiment, comme l'a dit docteur Ohab, l'éducation. C'est cette éducation qui va quand même nous, nous sortir de l'ignorance dans laquelle nous sommes. Merci, Madame la Directrice. C'est ici que prend fin ce forum. Nous avions discuté autour du thème Impact des pesanteurs sociaux culturels sur l'épanouissement des femmes dans leur foyer. On retient que les stéréotypes sociaux se définissent comme un ensemble de clichés le plus souvent dégradants vis-à-vis d'une composante de la société. Les femmes vivent des traitements dégradants tels que leur abandon par leur conjoint, les empêchements d'activités économiques. Euh, certains stéréotypes révèlent de la mauvaise interprétation de l'islam. Certains aussi découlent de la nature euh, intrinsèque des deux sexes. Les structures de défense des femmes passent par des sensibilisations et des recours aux religieux pour réduire les stéréotypes dévalorisants. On note 311 cas qui sont gérés par la direction régionale de la promotion de la femme en 2020 et 431 cas en 2021. Sur la persistance des stéréotypes sociaux, on note une méconnaissance des textes, leur accessibilité et le mode de vulgarisation de ces textes-là. L'éducation aussi a un impact sur la persistance de ces stéréotypes sociaux. Les ONG qui œuvrent dans la défense des femmes accompagnent et orientent ces dernières. Plusieurs conséquences peuvent être élevées, telles que le manque de réalisation de la femme, du couple et au-delà de la société. Des perspectives existent, mais tout repose sur l'éducation. Nous étions avec Dr Abdelhab Soumana, socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'Université de Zander, euh, Madame Abdelaziz Rabi Soumana, directrice régionale de la promotion de la femme de Zander, Hajia Oum Abani, présidente de SOS Femmes et Enfants victimes de violences conjugales de Zender. Je suis Mustafa Mamansani, correspondant du studio Kalangou à Zender pour l'animation de cette euh, émission. Merci et au revoir.